la gravité du développement négatif de la gouvernance euh, au niveau de la Bagui, c'est pratiquement, c'est plus tard qu'on a vu ça. Parce que quand la Bagui s'est retrouvée à faire des rachats de crédits, à donner des crédits euh, de complaisance, à accepter de donner des crédits à des individus qui n'ont aucune garantie, aucune, alors là, absolument aucune garantie, au point où on s'est retrouvé aujourd'hui encore avec un passif énorme un passif énorme, et peut-être de plus de 40 milliards en termes de crédit. Donc, euh, si quelqu'un veut contester, ce n'est pas la peine de, de vouloir euh, faire tirer par les cheveux les choses et vouloir noyer le poisson à travers des déclarations tendant à vouloir dire que c'est parce qu'on veut régler les comptes de X ou les comptes de Y. Nous, en tout cas, nous, nous, nous ne sommes pas dans un complot de, contre qui que ce soit. Mais nous sommes des citoyens, nous défendons les Nigériens, nous défendons le Niger, nous défendons le peuple nigérien par rapport à ses intérêts. Et cette question de la baguille et de la banque de l'habitat, ça a été une action que nous avons soutenue depuis le temps où ça a été lancé, au temps de Taja. Et jusqu'à d'ailleurs, aujourd'hui, nous continuons à faire notre plaidoyer parce que nous sommes convaincus que l'avenir de notre pays, il passe par la maîtrise de, de, de, de, la production nationale, la réduction de notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur en matière, euh, en matière alimentaire, en matière de souveraineté alimentaire. Le droit à l'alimentation a été acté, il a été validé et introduit formellement dans la constitution de la, de la 7e République à, partir de, de, de 2010. Donc, depuis lors, ça pose un véritable problème très clair qui fait que, et, si nous voulons nous en sortir, réduire notre dépendance, réduire notre, et, inverser notre, notre, comment on appelle ça, notre déficit en, matière, en matière commerciale ou en matière de paiement, il faut que nous décidions de changer tout simplement. Et pour changer, on a dit, il faut des outils d'appui au changement. Et la banque est, fait partie de ces outils d'appui au changement parce que c'est des outils qui devaient financer l'agriculture pour aider les agriculteurs, les, gens qui, les porteurs d'initiatives, les entrepreneurs agricoles d'avoir la possibilité de pouvoir monter des bons projets et se faire financer à travers cette institution financière et, euh, penser dans, pour juste cet objectif-là. Mais aujourd'hui, quand vous partez voir le portefeuille, des crédits accordés au niveau de cette banque. Et tout ce qu'on a accordé, vous, parfois ça n'a absolument aucun, rien à voir avec, euh, avec euh, les questions agricoles. C'est des crédits euh, commerciaux, ah, ah, parfois même, on peut même dire des crédits commerciaux, et sans base, sans base. Parfois, on peut les. Parce que souvent, vous allez retrouver, et il y a des cas où on a, on a organisé une sorte de raquette et en, se faisant donner des crédits sur la base des bons de commandes, des fausses commandes, des commandes non justifiées, orchestrées, manipulées, manigancées, avec euh, la complicité de certains responsables ou agents de la banque. le monsieur, il fait des dépôts de, comment vous appelez ça, des de, de, de, bons de commande, des domiciliations, des fausses domiciliations au niveau de la banque. Et on prend l'argent, on donne l'appel à la personne. Vous prenez l'argent, vous donnez à la personne, et cet argent-là qu'on donne à la personne, son nom et tout reste. Mais quand vous allez fouiller, entre ce qu'il a été, lui a été accordé en tant que tel et ce qu'il va finir par avoir en tant que tel et qu'il va finir par encaisser, et, la, distance est grande. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de pourcentages entre 20, parfois 30 à 40, jusqu'à jusqu'à 50%. Quand quelqu'un va prendre 100 millions de crédits et on lui retire 30 millions sous forme de commission, sous forme de, marchandage entre lui et ceux qui lui ont facilité l'accès à ce crédit, donc manifestement, on sait que ça rentre dans, dans une logique de complot où on ne va pas payer. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va se mettre à prendre de l'argent pour donner 30% du montant qu'il a pris, sachant qu'il ne va pas faire une activité qui, dans la même période, va lui générer 30% de bénéfices. Et dans quoi il va payer les intérêts dans quoi il va payer tout ce qu'il y a et donc euh, comment ça va se passer Ce sont des problèmes comme ça qui sont posés. Ça n'a rien à voir avec euh, X ou Y. C'est celui qui veut pour savoir de quoi il s'agit, il n'a qu'à aller accéder à l'information, la vraie, à la source, pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas un montage. Ce n'est pas la peine de venir et parler de rebondissement et vouloir euh, dire que ce qui se passe, ce qui s'est passé à la Bagri, alors que des gens ont engagé leur responsabilité de manière gravissime pour donner des, crédits à des gens sur la base des simples signatures de chèques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dossier. Vous ne faites aucun dossier. Vous venez sous forme d'un découvert. On va vous accorder un crédit et vous partez. On, vise, votre chèque on vous autorise à aller recevoir l'argent. Et quand vous recevez l'argent, vous laissez une partie. Et entre les mains de, dans le circuit que les gens font. D'ailleurs, tellement les gens, les gens étaient légers dans leur façon de faire qu'ils se sont mis à utiliser ces comptes d'attente là où on utilise des comptes des gens qu'on a créés ou qu'on a utilisé leur nom pour pouvoir un peu dissimuler. Personnellement, je passe toute ma vie à m'interroger sur l'opportunité ou l'intérêt même d'être obligé de passer par là. Vous mettez de l'argent à hauteur de 100 millions, 50, 100 millions dans le compte euh, d'épargne d'un agent qui n'a pas 120 000 francs de salaire. Mais tout celui qui fera un compte, même les, même les yeux fermés, il va essayer de faire l'audit de ses comptes, l'audit de ce qui se passe au niveau de cette banque, mais facilement il va voir cette incongruité. Parce que le monsieur n'est censé recevoir dans le compte que son argent, c'est-à-dire son salaire. Le virement qu'on lui doit lui faire, c'est son salaire. Maintenant, voilà que le monsieur, ce n'est pas au nom d'un salaire, alors que le salarié qu'on voit, lui, on voit, il va se retrouver en train de recevoir des versements les versements, hein, c'est des versements qui se font dans le compte, c'est même pas en termes de virement. Que dans certains comptes, c'est comme ça. On, met 50, 100 millions dans le compte du monsieur. Le monsieur même n'est même pas au courant. Dans certains cas, il n'est même pas au courant. Dans d'autres, il est peut-être au courant. Il est au courant qu'on a versé l'argent dans son compte. Mais dans d'autres, ils ne sont même pas au courant parce que les opérateurs qui sont agents de la banque, en complicité avec leurs responsables qui ont décidé de passer par là pour faire ce jonglage-là, ils l'ont fait. On ne ment pas, on ne ment pas aux gens. Allez-y maintenant. Dans tous les cas, le dossier est entre les mains de la justice. Il ne sert à rien de, continuer à spéculer et à vouloir chercher à faire les, les, actes d'arrière-garde pour tenter de vouloir euh, et, divertir les gens, distraire les gens, détourner la pensée des gens et vouloir innocenter des vrais coupables, des délinquants à quoi Mais allez-y voir. Est-ce qu'on a menti à ces gens tous ces gens-là que vous voyez, là, que vous dites, mais c'est des gens dont on connaît véritablement qui ils sont. Et quel est leur mode de vie aujourd'hui Quelle est leur réalité de vie concrètement Pour des gens dont on connaît le salaire, on connaît bien leur salaire en tant qu'agent de banque. Lorsqu'on est directeur de banque ou, agent ou chef comptable ou commerçant ou je ne sais pas ou euh, euh, euh, je sais pas quelle responsabilité au niveau de la banque, qu'on peut se permettre en un temps trois mouvements de pouvoir se permettre de réaliser des investissements énormes du point de vue immobilier. On peut les voir. Il n'y a qu'à circuler dans la ville de Niamey, il y a des gens, on connaît. quels sont leurs différentes, euh, les, différents patrimoines qu'ils ont acquis très récemment d'ailleurs et, avec, qui certainement sont évalués à plusieurs, à plusieurs centaines de millions. Mais où est-ce qu'ils ont eu ça Pour que vous, vous soyez là aujourd'hui en train de vouloir faire les, les, les, les ça, les, les avocats du diable, pour être dans la position de vouloir défendre l'indéfendable en voulant détourner les gens et en voulant faire comprendre que c'est parce qu'on veut on veut remplacer la, personne, on veut la remplacer et on, ou on veut, on, veut, on veut engager une opération de vente ou de cession de, de, la banque que l'on est amené à, à, vouloir envisager de lui créer des problèmes pour dire que voilà maintenant on va, on va la vendre. Quel est le propriétaire d'une banque sérieuse en tant Même si quelqu'un est le plus criminel des criminels, en tant que Nigérien responsable qui veut vendre la banque au nom et, et va chercher à lui créer des problèmes à vouloir la liquider en voulant montrer que c'est une banque qui a des problèmes, c'est une banque qui est ceci, qui est cela, et dans le but de vouloir chercher à la vendre à autrui. Mais il veut la vendre à combien si on est sérieux, si, celui qui écrit ce que j'ai lu là est, sérieux, mais comment il peut, euh, euh, quelqu'un va vouloir le faire Si vous voulez, vous avez l'intention de vendre à quelqu'un qui veut venir acheter, mais vous êtes obligé de travailler à ennoblir la banque, lui montrer que c'est une opportunité, c'est une bonne banque qui marche, qui peut bien marcher, et, et quand il viendra, ça va marcher, et donc en ce moment, on peut bien négocier avec lui. À moins que vous ne considérez que c'est un complot où on veut maintenant vendre la banque aux francs symboliques à, quelqu'un qui, à qui on veut même seulement le forcer à acheter et, pour pouvoir s'en débarrasser. Mais je ne vois pas pourquoi les gens vont faire un tel raisonnement. Pourquoi que c'est comme ça qu'il faut comprendre et la chose. C'est comme ça qu'il faut comprendre la situation parce qu'on a quelqu'un à vouloir défendre, parce qu'on a quelqu'un à vouloir protéger. Nous, on ne protège personne. Nous ne sommes contre personne, nous ne protégeons personne, mais nous avons des données, nous avons des informations. C'est un bien public, c'est un bien national. La Constitution est très claire. L'article 44 et 41 de la Constitution est très précis.